Donc merci beaucoup. Euh, on remercie la presse euh, d'être venue vraiment nombreux répondre à ce point de presse. Et nous comprenons que vous avez d'autres activités à couvrir. Donc on va essayer euh, d'y aller très rapidement. Revenir un peu sur la gestion de la mairie. Vous savez, en 2014, nous avons été en coalition il y avait le PDS, il y avait le Réumi, il y avait beaucoup d'autres organisations, 14 organisations, plus le Réumi. C'est ça qui, constitue, a constitué la coalition André de Farquies, avec comme tête de liste au niveau départemental euh, Idrissa bien sûr. Donc, euh, on a eu de sérieux problèmes après la mise en place de la coalition parce que la campagne a démarré 72 heures après. Il n'y avait aucune activité menée ou dirigée par la coalition Antefartiès, parce que les gens ne se retrouvaient plus. Il y avait beaucoup de problèmes. Et c'est Talassi-là, à l'époque, qui a convoqué une réunion express chez lui, au niveau des parcelles Séni pour mettre en place un comité électoral. Et c'est lui qui a produit le programme, les stratégies qui nous ont, menés à la victoire en 2014. Et Idriss Seck, je le prends au mot, au soir même de la victoire de la coalition antifartiès, les gens de Réumi n'arrêtaient pas de jubiler. Il leur a clairement dit restez tranquilles, ce n'est pas la victoire de Réumi, c'est la victoire de la coalition antifartiès. Car au niveau du département, la coalition antifartiès n'a gagné que quatre localités les trois communes de Thiès plus la commune de Khombol. Et le PDS avait gagné quatre localités au niveau du département. Et si vous enlevez, et dans les euh, quatre communes gagnées par le PDS dans euh, le, département, le PDS est allé seul dans ces communes-là. C'était le cas à Kayar, à Kermousso, à Djander, euh, de, même que, j'oublie encore l'autre commune. Donc il y avait quatre communes gagnées par le PDS. Si vous enlevez les voix du PDS, de, euh, des voix de, la coalition en farquès la paire devient majoritaire. Ça veut dire que Idriss Seck, sans l'appui du PDS au niveau du département, il n'allait pas être le président du conseil départemental aujourd'hui. Et il avait promis au PDS de leur donner un poste de vice-président, ce qu'il n'a pas fait. Parce que Idriss Seck, c'est quelqu'un qui ne tient jamais parole. Alors, Tal a été à la tête de la mairie depuis 2014. Il a été clair. Je serai le serviteur des populations de Thiès. Je serai le Baïfal de Thiès, exclusivement au service des populations et depuis, il est là. Maintenant, quelques temps après, euh, un, jour, Détiéfal est venu, il a appelé le, président, euh, le maire de la ville, lui disant que le président Idrissek devait aller en tournée et il fallait que cela leur donne un million. Il m'a dit, mais écoute, il faut parler avec ces gens-là. Hein. Moi, je n'ai pas un million à donner à qui que ce soit. D'ailleurs, l'indemnité qu'ils touchent, euh, c'est à peu près 700 et quelques mille, moins de 900 mille. Où est-ce qu'il va aller chercher un million pour leur donner Je ne vais pas prendre l'argent de la mairie et leur donner. Il n'est pas question. Les gens lui en voulaient. Il y a eu aussi que Talisla a été invité par votre confrère Mahmoud Ibrakan. Il lui a posé la question à savoir, est-ce que, monsieur le maire, vous allez vous porter partie civile par rapport à la plainte qui a été déposée par nous-mêmes, étant à l'époque adjoint au maire, contre Yankoba Badiatara et ses complices qui ont bradé le foncier Tiesoa avec euh, euh, l'appui de Idrissa Seck, parce que c'est lui qui était maire. Et à l'époque, c'est le ministère de Al-Sansal qui avait interpellé le maire de la ville, lui demandant d'être partie civile pour que le foncier Tieswa soit éclairci par la justice, afin que les Tiesoa sachent exactement qu'est-ce que les gens ont fait du foncier il y a eu 700 terrains lotissés sans délibération de la mairie au niveau du lycée technique. Et sur les 700, au moins les 500 ont été vendus. Il y a eu 225 terrains au niveau euh, de la maison d'arrêt et de correction. Et minimum les 150 terrains ont été vendus. Et le scandale qui a euh, fait le comble, c'est le, euh, la zone industrielle. La zone industrielle, c'est des terrains à grande surface de 1200 mètres carrés destinés seulement aux industriels. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a eu aucun industriel qui a bénéficié de ces terrains-là. Les terrains ont été simplement vendus et partagés entre la famille de Idriss Seck et celle de Yankoba Puisque le plus grand terrain de 2640 mètres carrés est sous le nom de Madame Etouba, qui se trouve être l'épouse de Yankoba Et il y a eu les, les sœurs de Idriss Seck qui sont attributaires de parcelles il y a eu les neveux qui, sont attributaires de parcelles. Donc ce scandale-là, c'est ça qui nous avait poussé à porter plainte. Et le dossier est toujours pendant devant la justice. Là aussi, quand Talasila a répondu à la question de Mahmoud Ibrakan, à savoir, est-ce que vous allez vous porter partie Il a dit oui. Il a poursuivi en lui disant, et si demain, s'il est prouvé que Idriss est fautif, est-ce que vous serez toujours prêt à euh, vous portez partie civile Il a dit oui, quelle que soit la personne incriminée, parce que c'est le bien des populations de Thiès qui a été dilapidé. Donc les Thiessois ont le droit de savoir et les fautifs doivent être sanctionnés par la justice. Là aussi, ça n'a pas plu à Idrissa Sek. Il y a eu quoi aussi L'IGE est venu à, la mairie. Le maire était en convalescence en France parce qu'il était retenu présent de maladie. Madame la maire Maïmounadien a assuré l'intérim. Et quand les gens de l'IGE sont venus, Idriss Sek et Diatara et d'autres responsables de Réumi ont voulu faire euh, cacher des dossiers au maire. Ils ont dit, demandé qu'on cache certains dossiers. Talasila a été clair en tant que maire, je ne cache aucun dossier. S'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, ils n'ont qu'à aller euh, répondre devant l'IGE ou plus tard devant la justice. Et je pense que l'IGE a donné ses conclusions et que Diatara doit être traduit devant la chambre disciplinaire de la Cour des comptes pour rendre des comptes pour fraude et manipulation et détournement des deniers publics. Ça, c'est la vérité du, rapport de l'IGE. Et Idriss Seck euh, en veut à Talasila parce qu'il n'a pas voulu aller vers la direction qu'il lui a indiquée. Parce que Idriss Seck, le connaissant, c'est un homme de scandale. Il a été ministre sous ministre du Commerce, avec les autorisations d'importation de véhicules. C'était un scandale, vous le savez très bien que moi. Il a été ministre d'État, directeur de cabinet, premier ministre de WAD. Lui-même, il a reconnu cette enrichie sur les fonds politiques que WAD lui avait confiés. Là aussi, vous étiez là. Idriss sec c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui a tendance à diaboliser les gens. Il l'a fait avec Karim Wad. Il l'a nommé Monsieur 15%. C'est lui qui a instrumentaliser l'arrestation même de Karim Wad, celui qui a insulté son père et il l'a a enregistré à son insu. Donc Idrissek n'est pas un exemple. Il n'est pas question pour nous, comme Talasila l'a dit, qu'un que, homme comme Idrissek soit le président de ce pays. Ce serait une catastrophe. On ne veut pas d'un Trump dans ce pays-là. Et il est pire que Trump. Et Talasila a raison euh, de, de, dire que Idriss Seck, il n'est pas question qu'on le mette à la tête de ce pays-là le Sénégal a des, enfants de valeur, bien éduqués. On n'a pas besoin d'un rancunier, un pouvoiriste, de quelqu'un qui n'a aucune vision. Parce que je, je vous l'ai dit, Idriss Seck avait dit au président Wad, l'aéroport Blaise ne peut pas se réaliser. C'est de l'utopie. Il avait dit que l'autoroute à ça ne peut pas se réaliser au Sénégal, c'est de l'utopie. Et ça a été réalisé. Ça veut dire que c'est un homme qui manque de vision. Au niveau de la mairie de Thiès, si on enlève les investissements faits par l'État du Sénégal par le président Abdoulaye Wade en 2004, Idriss Seck ne peut pas vous montrer une seule réalisation faite sur fond propre en tant que maire. Vous n'avez qu'à lui poser la question de savoir. Et je l'ai dit il y a une semaine, il envoie des gens pour nous attaquer de gauche à droite. Nous, nous sommes membres du Parti démocrate sénégalais. Et ce n'est pas Idriss Seck et ses taupes qui sont dans le PDS qui vont nous faire partir nous serons là pour dire, dénoncer euh, les manipulations d'Idriss Seck, qui s'est servi de Macky Sall pour faire emprisonner Karim Wad, qui a tout fait pour que Khalifa Sall soit en prison, pour qu'il vienne en, troisième larron. Ça ne passera pas. Nous serons là à nous ériger en sentinelle pour le dénoncer, pour lui barrer la route. Donc Idriss Seck, il n'est pas question pour, nous que Idriss Seck soit

Idriss Seck amul woon keneen ku dul Talla Sylla d'ailleurs bu ñëwul woon problème am ndax fekk na ñu caxat caxatee suuf si wax naa ko léegi ñoom Yankhoba Diattara Idriss Seck na ci pat ñun loolu taxoon mu meere ñu ndax dañ doon dénoncé li Diattara doon def waaye dafa mel na ci suuf moo ko doon jàppale te après on a compris que ñoom ñaar nekkoon complice tey dégg naa ñu ngi wax affaire conseil départemental li ma xam daal mooy Idriss Seck maire de Thiès Yankhoba Diattara premier adjoint ñoo saax saaxee suufu Thiès ñu dénoncé ko plainte leen dégg naa Diatara di wax dafa dafa plainte mais ñun ñoo ko plaintoon donc Diatara ak Idriss Seck moom seen ak njublan ci affaire suuf man awma ci benn doute je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Idriss et de Diatara par rapport au au foncier thiessois qu'ils ont l'habitude de dilapider dañ koy caxat caxate léegi nag li xew mooy tey Talla Sylla wax naa ko sànq dañu toog ñu ni Idriss day dem tourner da ngay joxe un million mun ma waxal ak sa gars yi aw ma dërëm bu ma leen jox du ma jël alal maire bi di leen ko jox parce que Idrissa bu daan dem tournée da daan dem station ñu jël essence maire bi def ko ci oto yi man xam naa bu baax li may wax bu daan voyagé voyage boo xam ne yoonu maire yi nekk ci day dem Saint-James ñoo ko daan fayal billet bi ci mairie bi alors que demul en tant que euh, mission officielle de la mairie taalal lànk loolu ñu mere ko ñu toog ig ñëw fii di def audit ñu ne ko nëbbal yenn dossiers yi boobu sax mi ngi France nekk convalescence xaw a tawat mu ne bu kenn nëbb benn dossier su fekkente ne ñoom ñi yoroon yëf yi wóoluwuñ seen bopp man du ma làq kenn faralu ma kenn waaye làq ma kenn gars yi mere ko Mamour Ibra Kane invité ko laaj ko ci affaire suuf bi ndax ministère no Alassane Sall moo ko interpellé woon wax ne maire dafa war a nekk partie civile ndax adjoint au yi porté woon plainte muy ñun ñi à l'époque ak ñoom dene baak Sidi Njëge maire dafa war a constitué wu partie civile waa ji laaj ko ko mu ni ko man damay constitué wu partie la ville de Thiès pour ñu leeral suufu Thiès fan la jaar mën ko bu ñu gëstoo ba wane ay firnde ni Idriss Seck taq na ci est-ce que di nga porté wu parti bi mun ko ku mu mën a doon boo ci taqee dinaa porté wu parti bi ndax man askanu cees ñoo ma ñor te alal bi ñu luubal alalu Thiès la suufu Thiès la dañ ko war a leeral Idriss Seck mere ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii ay tappale ay njublang yu ñu ko bëgg dugal mu lànk te Idrissa wax naa leen ne ku dul wax euh, kuy wax déet du ànd ak yow li mu bëgg mooy ku manipuler ku muy tënk ku muy def l'armée te xam nga ne Talla Sylla c'est une grande personnalité de ce pays kii wax na ko léegi Astou c'est l'un des fils du Sénégal qui s'est sacrifié le plus pour pour pour le Sénégal dem ba nartee ñàkk bakkanam amatul vie de famille amatul dara ñu fal ko maire Thiès c'est le maire boo xam ne le plus transparent du Sénégal audience publique kan moo ko ñemee moom moo ko ñemee Talla Sylla mooy dox ci mbedd mi yenn saa yi otom paat essence te pourtant am na ay litres d'essence wax na ko ku néew doole ñëw tey Idriss Seck ak li ko Thiès defal amul dara lu muy def parce que maire na Talla Sylla mënu koo manipuler mu ne day budget bloqué budget mairie bi père de famille toog pendant 5 mois fayekuwuñ kooku buñ la joxee Sénégal lan nga koy def boo jeexalee suuf Thiès buñ la joxee suuf Sénégal noo koy def du ñu nangu loolu il n'est pas pour Idriss Seck di jàll ci yooyu ñu ngi wax nag di interpeller nag seen confrère muy amet ay dara ñu ngi koy con euh, euh, interpeller solennellement na nekk journaliste waaye bu mu fi nekk di propagande ndax li mu doon def ce matin du journalisme ñun jàng nañu xam nañu lu xew ñu ngi koy interpellé il n'a qu'à bu mu ñu wax loolu lu ñu bëggul wax bu mu ñu def loo lu ñu bëggul def parce que am na loo xam bu ñu ko waxee dina am neneen nu mu demee ba muy teg CD wu euh, Talla Sylla di wax yu nii pourquoi tegul CD Idriss Seck lui et moi bi mu génne woon ci insulter le président Abdoulaye Wade pourquoi Ahmed Aïdara teg ko. muy teg leneen bu fekkee moom dafa génn cadre journaliste di wax loolu donc ñu ngi koy interpeller il n'a qu'à ci li muy def parce que li muy def ça ne passera pas xam nañu Idriss Seck manipulateur bu dee day def yeneen di leen manipuler ñun ñoruñu noonu muy def di neexal nit ñi ñu nekk PDS nekk ay tóobam bu dee day wut ay tóob ci presse bi Ahmed Aïdara waru ci bokk ndax honoré wul presse bi loolu donc ñun dañu respecter journalistes yi waaye li mu def ce matin à la limite inacceptable et scandaleux duñu ko nangu na arrêté nous ngi koy interpeller solennellement na yem ci journaliste yem ci revue de presse mais bu mu fi def ay revue waxtaan bu fi def ay revue propagande en faveur de Idriss Seck mi nga xam ne nommé Trump Seck il est pire même que Trump. Non, au PDS, euh, des militants ne peuvent pas se lever et exclure un autre militant. Moi, je connais les textes du PDS. Et je vous dis que je suis en contact direct avec les responsables du PDS, à savoir le candidat même, Karim Wad. Beaucoup de gens parlent au PDS. Ils ne savent même pas euh, où se trouve Karim Wad, où il est, dans quelles conditions. Moi, je sais de quoi je parle. Je dis que Idriss Seck, je le répète, et puis je dire que je suis que je dire, que je kan moo waxoon ancien spermatozoïde futur carafe du Idriss Seck kan moo waxoon monsieur 15 pour cent mooy Karim Wade kan moo waxoon jàpp Karim Wade demande sociale la du Idriss Seck bi ñu ko bàyyee kan moo waxoon deal international Wade et sa famille ñoo ko orchestré du Idriss Seck est-ce que dama ko sosal dañoo toog 2014 Abdoulaye Wade waru fee ñëw ñu war a clôturer président Talla Sylla mi nga xam ne moo tegoon stratégie bi yëpp fu ñuy jaar yëpp ak lu ñu def yëpp ba gagné. macha allah ci xelam la jóge lu ci ëpp bokk ak 80 pour cent man xam naa li may wax mu ne Idrissa dañoo bëgg boobu Déthié Fall ngi taxaw mën na ma wet ne bu ko neexee pour faral euh, mantooram mu ne ko dañoo bëgg bu président Wade ñëwee ngeen niiwoo mu ne non il n'est pas question du ko niiw su ma niiwoo sax du ko fay je veux même plus le en photo c'est un monstre Déthié ne ko président tey d'accord ma ak yow jullit bu ñu la niiwoo da ngay fay da ngay delloo niveau bi kooku moy Idriss Seck tay mom mo wax ne deug gogou ma wax kenn rek la wara a déranger mooy ki ko waxoon tey bañ mu feeñ mooy Idriss Seck mais lan moo tax nag ay nit ñu nekk PDS di jóg di wax parce que idriss da na wax ne dama am ay top biir PDS alhamdulilah man Ahmed Mbaye ba ci bokul donc au contraire la direction du PDS ñom ñoo wara jël des sanctions contre ces militants là ndax bis bi nañu attaqué fi Karim wat do leen gis ñu génn def réponse ñu attaqué Idriss Seck ñu génn di ko défendre ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy les traîtres ñooñu la ñu war a exclure du PDS te man Marcel li ma séq ak moom xam nga mooy lan mu daan ma fekk mairie fii ñun ñu ak ay grand frère grand dama bëgg a dem dakaar aal ma 1000 francs dimbale ma ci mille francs dimbale ma ci 2000 ma jox ko ma du sama nawle du nawle li muy def ak li muy wax du ma ko def man jomb naa ko ndax man lépp lu ngor dàq diine dàq ko duma ko def ci politique parce que xaw ma lool donc Marcel du moom

def na ko wala def ko waaw wala déet tontu leen ma def na ko le parti dafa permettre lool nit bokk ci parti bokk ci mouvement dafa leer loolu moom amul ma dem te ñëw. mais Ameth seen mouvement day soutenir candidature Macky te yéen PDS am ngeen candidat. dama ne Tala Sylla dafa wax def déclaration di ngeen di déglu le fal askan bi tolloogul foofu.

je suis très libre. Non, je suis du Pérez, ça c'est clair. Je reste un militant et un responsable du PDS. N'en déplaise à Idrissa Sec et à ces taupes qui sont dans le PS à la tête de ces gens-là, Massali. C'est pas mon problème. Mon problème, moi, je sais que Idrissa Sec c'est la personne qui a fait le plus mal au président Blaise et à sa famille biologique et politique. Idriss Seck a toujours comploté sur le dos de Wad. Il a voulu déposer Wad en 2004. Si la fête de l'indépendance était tenue à Thiès, il aurait passé son coup d'état rampant. Qu'est-ce qui, nous a parlé du bulletin de santé de Wad Mais c'est Idriss Seck. Et Wad, il se porte comme un charme, machallah, à son âge. Donc c'était des mensonges c'était orchestré, c'était un coup d'État rampant, comme le disait Mahmoud Saleh. Donc c'est Idriss Seck là, nous, nous lui disons que nous n'avons pas oublié, nous les enfants de Wad. Nous, la famille politique de Wad, nous n'avons pas oublié. Il n'est pas question pour nous que Idriss Seck bénéficie d'un quelconque soutien de la famille politique de Wad ou de sa famille biologique, ça il n'en est pas question. Et nous allons nous battre pour ça. Et nous sommes en phase avec ça, avec beaucoup de responsables du avec qui nous avons échangé depuis notre intervention. Vous pas exclu du Non, pas du tout. Parce que euh, un militant ne peut pas exclure un autre militant. Ça, c'est pas possible. Moi, je connais les textes et règlements du PDS. Donc, au contraire, je dis que le comité directeur devait exclure ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent pour un autre candidat autre que celui du PDS. Le candidat du PDS, c'est Karim Wad. Idriss n'est pas le candidat du, du, du PDS. Pourquoi, quand on attaque Idriss Seck, des gens qui sont dans le PDS qui se trouvent être des taupes de Idriss sortent pour le défendre. Ça, c'est un problème. Au contraire, le comité directeur devrait prendre des mesures disciplinaires à l'endroit de ces gens-là. Je vais très rapidement intervenir sur ñaar ba point trois minutes maximum euh, Youssou Diop conseiller politique et secrétaire secrétaire permanent du mouvement Fal dafa am je pense que sénégalais yi dañ ko war ñu wax parce qu'il faut quelquefois aussi restituer les faits historiques tels qu'on les a vécus je pense que depuis deux ans et plus de deux ans d'ailleurs le maire Talla a été victime d'attaques d'injures Yo xamanteni Idrissa Seck qui nek ci ginnaaw di yabal ay nitam ñuy dem ci radio yi di dem ci télé yi di ñëw ci réseaux sociaux yi di saga

manipulation, dans l'art de la victimisation, dans l'art de la démagogie et dans l'art de la rhétorique politicienne mensongère. ci la naal ay nitam mom la len jàngal mom la len di sante résultat yi ñu ngi koy gis ci maire Thiès blocage depuis deux ans résultat yi ñu ngi koy gis parce que wa réew mi amuñu argument politique voilà, pour nous opposer opposé sinon nekk ci réseau trop c'est trop Si nous avons le mot trahison avant les élections législatives ils ont parlé de trahison Talla est un trait ceci cela Ce ñu nous wax c'est que ni wax fi wax na trahison trahison qui qui fait def haute trahison Idrissa tu tu as été le plus jeune directeur de campagne de candidat à la présidentielle à 28 ans Comment Abdoulaye Wade moo la fi fayal say étude nga ba le ministre du commerce ngay génne une autorisation exceptionnelle d'importation de véhicules de sacs, de wuruj

en 95 94 95 si je me rappelle ni Idriss Idrissa à Thiès mon n'est pas dans mon agenda moom Idrissa c'est moom rek moo taxaw en coalition ñu gagner gagné au local de 2014 mu wor waa parce que le poste de président du conseil départemental du premier vice-président du conseil départemental n'était pas pour Réumi. moi moom je pense que oui, yabal ay nit attaqué 14 fois à l'âge de 14 ans le Dougouti politique en 1980 à 14 fois le def prison mosul wax damaa feebar mosul hypertendu mosul wax hypotendu mosul wax ma diabète il les a assumés c'est quelqu'un qui a toujours assumé de 80 à 88 nous assumer tous les combats de la jeunesse sénégalaise. En 92, nous assumer la création de la jeunesse pour l'alternance. L'alternance est la respiration de la démocratie. Il a été le premier théoricien même de l'alternance. Il a théorisé ici le concept de vote utile. Pour l'alternance, je vote utile. Moi, je suis le mot musul n'angou Dougouti ci gouvernement il a il a refusé des postes de gouvernement en 2000 ni man sentinelle de la de l'alternance, le la le Talla de moo ko fi def moom demul ca Khalifa Sal, jaxase Bamba ak Barthélemy Diaz rien que parce que de bëgg entrevoir un nouveau yag, que ni. Khalifa Sall buñ ko tejé ma mëna a potoxlu pour jël ay nitam. mom Idrissa Seck moko def. kon wa ils n'ont aucune leçon à nous donner. et désormais je dis bien désormais n'en déplaise à leur mentor pour chasseur d'un rang perdu qui qu'il a perdu depuis l'éternité n'en déplaise à Idrissa Seck et sa corte de sbires de charognards qui nous parlent chaque jour de cadavres si un cadavre si est un cadavre politique cadavre bu demee ba yëngal ñiy dund kon kon ñiy dund war nañoo set sen bop cadavre bu demee bay un ñiy dund kon Idrissa Seck mi dund mom mi cadavre war est un homme de valeur il fait son chemin c'est un homme de vérité et la vérité ne pénètre et fait son chemin que dans les esprits honnêtes qui méritent qu'on ne les confonde avec ceux qui falsifient à plaisir le courant de l'histoire. Idriss Seck est un falsificateur et désormais, chaque fois que ñu nous ñu attaqué ñu dinañ leen wax lu ëpp li wax rétablir la vérité des faits ñu ngi leen di remercier. répond à la question. waaw est-ce que président Macky Sall bu ngeen demee tey ba ko jàppale da leen xaar ngeen nekk ay tontuwante yooyu concrètement lan ngeen mën a apporter président Macky euh, nous l'avons démontré il y a deux jours. Je pense que le premier coup est venu d'il y a deux jours avec la conférence que nous avons organisée à la promenade des Tchessois. Les Sénégalais sont témoins de 25 février. les Sénégalais sont témoins que nous sommes en train de faire ce que cela nous avait toujours recommandé. On va vers d'autres grandes manifestations. Et d'ici trois mois, vous en saurez quelque chose, Inch'Allah. Nous, nous, porterons le président Macky Sall pour un deuxième mandat et dès le premier tour.